Merci au passage et félicite M. Dia pour cette belle initiative qui contribue au développement du centre euh, à Durbel. Et à euh, ma qualité de représentante du directeur général de l'Agence sénégalaise de tourisme, touristique, nous sommes là pour appuyer M. Bien dans ce projet qui, euh, qui, a une importance capitale pour le directeur général. C'est un nouveau directeur qui vient d'être installé et qui a une vision claire de l'importance des pôles touristiques, y compris le pôle de Durbel, par sa, ses atouts touristiques, mais aussi par ses, son patrimoine culturel et religieux. Lui, en fait, il euh, croit beaucoup au tourisme religieux et c'est notre présence ici aujourd'hui pour venir euh, assister à ces actions sur tourisme et venir aussi appuyer euh, le développement du tourisme local. Vous pouvez revenir sur la politique de l'État par rapport au tourisme Alors, la politique de l'État par rapport au tourisme, c'est déjà de renforcer les, les moyens des régions en leur peut-être, euh, là ce n'est pas encore le cas de, Durbel, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il n'y a, pas de syndicat d'initiative, mais aussi essayer d'installer en fait des structures qui permettent de, développer le tourisme local et aussi de les doter des moyens pour pouvoir assurer la promotion des appuis touristiques de la région. voilà euh, euh, général de promotion touristique. bi mu nga xam ne mi ngi rafetlu waxtaan bi am tey bi nga xam ne monsieur Dieng moom moo ko initié mu jëm ci lépp loo xamante ne développement tourisme la ci Njaaréem moom li ko soxal mooy euh, euh,

ba yokk yokk euh, euh, taaru dëkk ba ba ñi nga xamante ne dañ ko bëgg ñëw seet ñu sawar a ñëw bu ñu xamee ñu xam ne ci bu ñu ñëwee am nañ voilà pourquoi ce projet. Amath oui, je pense que ça ne sert à rien de se, de se répéter. Madame Ndiaye a déjà dit l'essentiel euh, du contenu tenu du projet. C'est une idée que nous avons, nous avons partagé avec les acteurs du Sud qui ont adhéré à ça et je pense aujourd'hui l'objectif le travail à dévoiler un plan d'action et un programme d'activité de sorte à ce que Dubel soit une destination. Il, faut qu'on se comprenne, hein. notre, ambition, c'est de faire une destination, de faire en sorte que quand des touristes à partir de la France, à partir de l'Italie, à partir de la Hollande achètent le package pour venir au Sénégal, au lieu de à acheter un package qui intègre simplement Gorée, Bacolore, etc., qu'on puisse dire, à partir de la France, achètent un package touristique qui intègre la visite des sites religieux à Dubel je base cela avec le combat que nous menons nous. C'est de faire de Duvel une destination touristique reconnue avec un circuit validé. Un circuit validé. Maintenant, ça, c'est pas le travail de la médias, c'est le travail des techniciens. Nous discuterons avec les culturels, avec les artisans, avec les acteurs touristiques, pour voir comment, sur la base de critères qui seront définis par des, professionnels, comment définir un, euh, un circuit. Un circuit exclusivement culturel, un circuit exclusivement religieux, ou bien un circuit mixte qui intègre les deux potentiel. Mais en tout cas, il est clair que ça, dans ce projet, notre ambition est de faire en sorte que Durbel soit une destination. Durbel sans mer, sans plage -ce que cela... Ça, c'est le balnéaire. Vous parlez du balnéaire. Le tout balnéaire n'est pas le seul truc à promouvoir. Et on ne peut pas nous revendiquer aussi qu'on n'a pas. Euh, il y a le balnéaire, il y a le truc d'affaires, il y a le truc de loisirs, il y a également le truc religieux, il y a également le truc culturel. Donc on ne peut pas s'apitoyer sur notre nature austère, dire qu'on n'a pas droit à ça. On euh, a droit à, à, à une Maintenant, il faudra exploiter ce que nous avons comme richesse. Ce que nous avons comme richesse, c'est la culture, c'est la religion, et il faudra travailler à ça et laisser le balnéaire à ceux qui ont des côtes. D'autant qu'aujourd'hui, il est prouvé que le balnéaire prend du recul, parce qu'avec les régions côtières, il y, a, de plus en plus des pertes de côtes. Donc le pays va forcément transiter vers euh, un tourisme autre que le balnéaire c'est pourquoi aujourd'hui, le culturel et les autres sont plus importants. Êtes-vous pensez des ce qui nous Je n'ai jamais vu dans ma vie un projet ambitieux et facile. Et comme le disait en 81 Abdou c'est la seule fois vous êtes d'accord avec lui. Ce n'est pas, le, chemin qui est difficile, c'est le chemin qui est le chemin. Mais je n'ai pas peur parce que le plus important pour moi, ce n'est pas faire une affaire personnelle. Ce n'est pas mon projet, c'est un projet pour la région. Et si les acteurs le comprennent, et si les institutions l'accompagnent. Je n'ai pas à avoir peur, c'est lui-même qui doit avoir peur et, qui doit travailler avec sa peur. Mhm. Moi, j'ai une idée que j'ai partagée, les gens y ont adhéré, et nous travaillerons à la partager de façon, de façon cohérente, et nous espérons que. Bon, il y aura la fibre bol qui va s'ajouter dans chacun de nous et que les gens de nous proposent à ce comportement qui prennent. En tout nous, on est positifs et ouverts. Mhm. voilà, voilà, voilà, voilà. bon je pense que jarul baamtu madame Ndiaye bu ASPT wax na solo bi ëppoon ci waxtaan bi tey dañu jëmmal benn liggéey bu bees ci dëkk bi Diourbel muy fexe ba Diourbel nekk bés ci nekk jëmukaay parce que tourisme moom lu lenn lu dul jaay li nga am te amul feneen li nga am te amul feneen nag bëri na mais xëy na mosuñ cee liggéey donc tey dañu leenu acteurs yi liggéey ci loolu pour waxtaan ba déglu suñu biir am conditionnement avancé am nag chance su am appui ASPT bi organisé bi bi nekk la le partenaire de l'État donc loolu ñoo ciy liggéey pour que ñu ba nekk destination lu mën a tiitaroon ñu am defar ko taaral ko jëmmal ko parce que du sax tourisme intérieur bi rek mais le combat mooy ñu fexe ba au niveau des tours opérateurs que quand ils vendent des packages à des touristes qui viennent au Sénégal ils puissent proposer du comme dans, dans, dans le package loolu mooy mooy mooy Euh, mais loolu pour mu am il faut ñu mel nekk destination pour mu nekk destination il faut nga am ay circuits qui sont validés maintenant le circuit peut être un circuit un circuit religieux mën na nekk un circuit uniquement culturel mën na nekk un circuit mixte mais loolu liggéey man daan dajale ay techniciens mu liggéey loolu fexe ba mu nekk projet vraiment projet professionnel et technique pour que retombées yi bañ ci benn nit parce que tourisme mooy loo su doxee di muy ŋàddi moo bëri l'artisanat la culture l'animation et cetera donc en tout cas suñu préoccupation bi bi gën a bi gën a am solo mooy fexe ba secteur bi mën a décoller yóbbaale yi laxasu ci moom loolu nag bu liggéey benn nit liggéey ay nit ñu bëri daan tabax ci loolu incha allah ñoo ngi lay jaajëfal on vous souhaite bonne